confiance boobu nga am si ñun dinañu la wan ne la aussi compétence bi mu ngi si ñun dinañu ko liggéey wan la ne la ñun nag ñu jar lañu et puis waa Koungheul ñoom seen bopp xam nañ li ngeen xamante ni ñun ñu ngi koy def fii ci Koungheul donc dëkk la bu nga xamante ni man suma koy misaal dama naan màgget mu feebar la foo laal fu ne day metti pourquoi nous avons misé sur les jeunes nous avons misé sur les jeunes parce que nous parlons d'avenir et que l'avenir leur appartient. Mais cet avenir-là, il est à construire. Nous devons le construire ensemble avec les jeunes. Un proverbe chinois l'a dit, donne-moi un petit poisson chaque matin, apprends-moi à pêcher et mieux. Donc, nous voulons, avec tous les jeunes, tracer une voie pour le succès du Sénégal. Depuis 60 ans que nous sommes indépendants, nous avons essayé toutes les recettes miracles. Aucune recette miracle n'a produit un miracle. Aujourd'hui, nous voulons la recette de la vérité, nous voulons la recette de l'authenticité, nous voulons la recette pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Les Chinois ne feront pas le Sénégal, les Américains ne feront pas le Sénégal, les Français ne feront pas le Sénégal. C'est le Sénégal, dans sa dimension jeune, plus particulièrement, qui fera ce pays, l'avenir de ce pays et certainement même le présent de ce pays voilà pourquoi nous avons décidé de miser sur les jeunes. La route est longue, mais nous avons le courage de nous y engager. La route est le sommet d'embûches, mais nous avons la volonté de surmonter par notre effort personnel toutes ces difficultés-là pour aller au bout, parce que l'effort est toujours récompensé. Et c'est quoi Kungel Kungel, c'est le cœur du bassin arachidier. Kungel, c'était la prospérité de l'économie sénégalaise quand cette économie était fondée sur l'arachide. Que l'arachide produisait l'huile, que l'arachide était une matière structurante. Quand l'arachide marchait, tout allait au Sénégal. Aujourd'hui, l'arachide est arrêté, le bassin arachidier s'est effondré et le Sénégal vit dans des difficultés. Voilà où nous sommes. En pleine soirée, sous un ciel ombragé de Kungel, il va certainement pleuvoir ce soir. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu Où sont les semences Où sont les engrais Où est le matériel agricole Où est tout ce qui va permettre que Kungé retrouve son lustre d'enfant Voilà là où le gouvernement est interpellé. Voilà là où nous pensons qu'un député de Kungel doit pouvoir axer son intervention pour que sa mission ait un sens, le travail des jeunes, l'occupation des femmes, donner des sources de revenus à tout cela qui doit faire la prospérité du Sénégal. Voilà un des combats que nous porterons au nom de Kungel et des Kungelois à l'Assemblée nationale. Mais pour que ce combat soit porté, nous avons besoin de vos voix. Alors ne négligez pas ces voix. Allez massivement voter le 30 juillet. Ne soyez pas paresseux pour cela. Ne soyez pas hésitants pour cela. N'acceptez pas qu'on achète vos voix contre cela. Quand vous aurez fait tout cela, eh bien, vos députés iront à l'Assemblée nationale et nous serons les avocats de Kungel à l'Assemblée nationale. Je vous demande le 30 juillet de voter la liste Oser l'avenir et à 18h, J'écouterai les résultats de Kungel à mon quartier général. Est-ce que Kungel sera victorieux avec Oser l'avenir Est-ce que, est que nous pouvons compter sur vous Eh bien, si vous remplissez ce contrat, je remplirai ma part de contrat. Et je reviendrai voir Kungel. Je serai avec Alioun. Je serai avec Rugiatou. Je serai avec Damgai. Je serai avec Abdou je serai avec Sam Ndiaye certainement, si son statut le lui permet. Mais je serai avec Ibrahima, qui va mener la caravane de la victoire à Kungel. Vive Kungel, vive les enfants de Kungel et vive la coalition Osez l'avenir.